dañoo ñàkk suñu kilifa waaw Doudou Issa Niass moo doon kilifa yi socialiste fii ci département Dakar doon suñu nijaay suñu responsable ñu yàgg ànd ak moom muy nit yoo xam ne nitu nit ñi la vraiment un grand responsable socialiste vient de se reposer euh, toute sa vie euh, il l'a voué à ce parti euh, c'est ce que nous en savons